édition 2020 du Ramagal de Touba Niki Nimkodan ni Dakaractu À tout événement exceptionnel, un programme exceptionnel. Dakaractu vous propose le Magal Durand, des reportages, des documentaires, des entretiens, des débats en direct ay débat ay découverte ay reportage yu nga xam ne kenn gisu ko fenn dara naru leen ëmp ci màggalu ak Dakaractu du leen bàyyi déedéet dañuy ànd ak yéen bésu màggal xool naka la taalibe yi du dundee màggal gi moo xam ci njàngum alquran ak ziar si waaye ànd ak yéen ci kër sang si xool taalibe yi naka la ñuy dundee màggal gi ca ngoon nga Dakaractu ànd ak yéen ci spécial plateau Magal ak i boromi xam-xam. Dakaractu vous fera vivre l'édition du Magal 2020. de manière exceptionnelle àndaat ak yéen ngir dellu si njàngaleem Serigne Touba. danañu ànd ak yéen ci màggal gi wan leen dunduk Serigne bi danañu ànd ak yéen wan leen lenn ci njaboot Serigne bi. Dakaratu, votre site de référence, fidèle à lui-même, vous promet une révolution dans la couverture médiatique d'un événement religieux comme le 18 Safar. Dakaratu,